Chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au forum quotidien de studio Kalangou. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'impact des énergies renouvelables de la transformation agroalimentaire et la conservation des produits halieutiques. Les énergies renouvelables sont importantes dans le développement d'un pays, c'est pourquoi au Niger, une loi numéro 2016-05 du 17 mai 2016 a été adoptée permettant d'accroître, d'introduire et de promouvoir les énergies renouvelables de la transformation des produits agroalimentaires et des produits transformés, d'où la fabrication des équipements exploitables. Des matériaux fabriqués localement qui favorisent le développement agricole et qui modernisent le secteur. Alors, quel est l'impact de ces énergies renouvelables dans la transformation agroalimentaire et la conservation des produits halieutiques au Niger C'est la question essentielle du forum de ce jour. Pour en discuter, nous sommes avec M. Arif Hassan, doctorant en physique des énergies renouvelables à l'Université de Niamey en compagnie de M. Adamou Ousmane Cheyaou de l'Anerson, aussi de Mme Mustafa Kadiri Marietou Garba, transformatrice agroalimentaire, et enfin avec euh, M. Abdel Nasser Badamasi de Bendeka Solaire Dryer. Bonsoir chers invités. À la présentation, je suis Rafika Taher. Commençons d'abord avec vous, Monsieur Badamasi. Ces dernières années, nous parlons des énergies renouvelables, mais de quoi il s'agit exactement Merci de m'avoir donné la parole. Donc, euh, l'énergie renouvelable, c'est des sources d'énergie qui sont inépuisables et qui sont disponibles, surtout à l'échelle euh, de la vie humaine. Quoi. Donc, euh, parmi ces énergies renouvelables, celle qui nous concerne le plus ici, ou du moins notre structure, c'est surtout l'énergie <coughs> solaire. Donc, dont nous faisons l'usage en faisant des en produisant des outils ou des, euh, des dispositifs qui, qui facilitent la, transformation agroalimentaire qui interviennent aussi dans le secteur de la production agricole Avec plus de détails, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre structure Donc euh, la structure, elle commercialise des unités euh, intégrées solaires, par exemple des pasteurisations, des petites unités de pasteurisation de lait, petites unités de transformation de tomates en purée, petite unité de transformation de céréales, etc. Entre autres, il y a aussi l'unité de, euh, séchage solaire, donc euh, intitulée Bendeka Solar mhm. Comme vous l'avez notifié, parmi ces équipements, on trouve le séchoir. Et nous allons justement nous appesantir sur ce type d'équipement de transformation. Comment il se présente euh, <coughs> Il y a plusieurs modèles. Mhm. Donc, il y a des modèles qui sont compacts, il y a des, petits modèles, des petits jusqu'aux grands. Donc, par exemple, nous avons de 2 mètres cubes jusqu'à 120 mètres cubes. Donc, entre autres, il y a ceux qui sont en matériaux définitifs et à ceux qui sont déplaçables. Mhm. Comment ils fonctionnent Donc, ils fonctionnent avec. Euh, c'est la convection forcée d'air chaud qui permet les, les séchages. Donc, mhm. en gros, si on prend, on a une enceinte qui chauffe l'air qui, l'air, l'air ambiant qui rentre, donc elle est chauffée grâce au euh, à la concentration des rayonnements solaires et qui est diffusée dans la chambre de séchage. Mhm. Donc là, nous avons des produits qui seront étalés dans des étagères. Donc euh, le programme est la programmation est faite par, les, par la partie commande, donc on met les paramètres, l'humidité qu'il faut, la température à laquelle on veut. Donc, euh, voilà. D'accord. Madame Maria, vous êtes transformatrice de produits agroalimentaires et vous avez tout récemment bénéficié du séchoir. Dites-nous comment est-ce que vous avez acquis ce dispositif On remercie le studio Calabou d'avoir pensé aux transformateurs et ceux qui font les équipements, les équipements pour la transformation. Bon, j'ai pu acquérir, c'est à travers euh, ma commune, la commune 3, et à la FAO, avec euh, le ministère de l'Agriculture ils ont passé là-bas à la commune 3, demandé les femmes qui font la transformation. Mhm. À travers la commune 3, ils ont dit vraiment, Madame Moussaf Kadri, elle est dans le domaine et on la connaît. C'est de là-bas qu'on a eu une prise de contact, on a eu des ateliers et ça fait maintenant deux ans. Moi, vraiment, je croyais que vraiment ça n'allait pas aboutir. Et à ma grande surprise, et une fois, ben, dans deux cas-là, ils étaient venus avec les gens de la FAO et du ministère de l'Agriculture. Ils ont vu l'endroit. Je leur ai fait proposition au moins de deux ou trois. Ils ont pris un endroit sur l'étage, quoi. On a, on a un, espace là-bas sur l'étage. C'est de là-bas qu'on a pu me placer ce four. Mhm. Et avant ça aussi, j'ai travaillé avec euh, dans le lunar sol. Il y a leur four qui est à part. Et Winrock aussi, on a travaillé avec Winrock. Mhm. et leur séchoir, c'est avec, euh, c'est à gaz même. Oui, c'est à gaz. Mhm. Donc, est-ce que cela a changé quelque chose dans votre activité Bon, vraiment, maintenant, ça réduit, quoi. Parce qu'avant, dans le tas tu sais, il faut mettre euh, du bois, surtout dans les, dans dans villages, quoi, pour euh, sécher les légumes et mettre euh, des filets, quoi. Bon, mais à travers ça, là, Dieu merci. Dieu merci, surtout tout récemment avec euh, Ben Duca. Et on a pu avoir un changement par rapport à l'autre euh, énergie solaire. On a travaillé jusqu'à cette heure. On est avec, avec l'énergie solaire aussi. Maintenant, j'ai les trois types de séchoirs. Mhm. Et maintenant, à travers femmes, vraiment, les femmes, les travaux des femmes sont allégés, quoi. Mhm. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, publié le 23 juin 2021, la transformation des aliments consomme une très grande, une importante euh, quantité d'énergie. Donc, Monsieur euh, Adamou Ousmane, quelle place occupent les énergies renouvelables au Niger nous disposons quand même de soleil, mais est-ce qu'à votre avis, nous l'utilisons suffisamment Ok, euh, merci d'abord mhm. pour euh, nous avoir invités à ces studios. Euh, je suis Adam Ousoma, également de l'Anderson, comme vous l'avez dit. Donc les énergies renouvelables, on, dispose e-, effectivement. notre pays, le Niger, appartient aux pays dont les rayonnements solaires sont les plus importants. Voilà, donc c'est ce qui justifie d'ailleurs que le Niger a pris de l'avant depuis les années 60-70 avec la mhm. création euh, de l'Office national d'énergie solaire qui était au qui est l'Agence nationale d'énergie solaire aujourd'hui. Donc, euh, en tout cas, euh, beaucoup d'activités, en tout cas, sont en train d'être faites. Je pense que aujourd'hui, les femmes transformatrices sont là pour en témoigner. Ils ont eu à travailler avec nous. ils ont été en tout cas appuyer Ils venaient chez nous faire des travaux de séchage pour voir un peu mm-hmm. euh, en temps réel, eux qui sont les utilisateurs, en fait, l'impact que les équipements que nous euh, développons en fait, peuvent apporter par rapport à ce qu'ils font comme activité. Donc, euh, nous intervenons quand à la NERSOL dans beaucoup en fait, de, domaines en tant mm-hmm. qu'une structure. Nous sommes une structure publique nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Énergie, donc nous avons beaucoup de multitudes euh, en fait, d'axes d'intervention. Euh, les séchages, ça s'inscrit dans un axe qui est le développement des équipements, euh, des transformations et, d'accompagner en fait les agriculteurs en fait afin de développer des activités génératrices de revenus. Mhm. c'est dans ce cadre que s'inscrivent nos travaux en fait de développement des de la place, en fait, euh, mhm. je ne sais pas, le niveau d'intégration, vous voulez dire Oui, le niveau d'intégration, oui, oui. Le niveau d'intégration n'est pas assez important euh, mhm. en réalité au Niger, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Il y a beaucoup de politiques et de stratégies publiques qui sont développées dans le sens mhm. d'accroître vraiment cette intégration de l'énergie solaire au niveau national, vu le potentiel qu'on a et vu en fait la possibilité et les, les, les, les opportunités que ces énergies offrent en fait pour créer en des activités de revenus qui vont en fait, améliorer en fait, les conditions de vie, surtout des ruraux, en tout cas en développant des équipements tropicalisés qui sont euh, qu'on peut développer en fait localement et qui sont accessibles du point de vue coût et qui sont en même en fait de les permettre de faire de développer et euh, de produire en fait des, des produits de qualité mm. que ça soit euh, du point de vue hygiénique et nutritionnel également. D'accord. Monsieur Arifa, en tant qu'enseignant-chercheur, est-ce que le soleil est suffisamment utilisé au Niger euh, bonjour madame, je mhm. voudrais remercier la Fondation Hirondelle pour euh, avoir pensé à nous créer ce cadre d'échange autour euh, le studio de, le studio Kalangu, donc de la Fondation. Mhm. bon, je ne suis pas encore ancien chercheur, je suis que doctorant mhm. en fin de cycle de thèse appliquée, enfin physique appliquée. D'accord. la question oui, mais hmm. est-ce que vous pensez que l'énergie solaire est suffisamment utilisée au Niger Bon, d'ailleurs, dans le monde entier, elle n'est pas suffisamment utilisée. Mhm. Donc, le Niger ne fait pas exception. L'énergie solaire, euh, c'est 10 000 fois la puissance dont on a besoin par jour, qui est rayonnée chaque jour, du matin au soir, par le soleil, gratuitement offerte par le Tout-Puissant, et qu'on n'exploite malheureusement pas, ou qu'on exploite euh, en tout cas très peu, comme l'a dit euh, mon ami Chayaou. Mhm. L'énergie est très peu exploitée ici au Niger, mais comme il a aussi souligné, depuis un certain temps, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience au niveau du politique, et pas seulement au niveau du politique, mais au niveau surtout de la population qui a démontré une ruée beaucoup plus importante vers ce secteur. Et c'est peut-être ce qui a motivé les politiques à épouser la logique de faciliter l'accessibilité à cette euh, forme d'énergie qui n'est pas de moindre et surtout qu'elle s'offre à tous. Et en créant des facilités, notamment euh, d'abord en supprimant euh, l'obligation des charges qui incombaient au niveau de la Nigelec. Donc en supprimant cette partie-là, l'État a aussi créé des lois pour euh, faciliter l'entrée du matériel parce que le Niger n'en produit pas. Il faut l'importer et une fois importé, il faut que les gens aient la possibilité d'en avoir à leur disposition selon leurs coûts, leurs besoins. Mais il faut aussi rappeler que euh, dans un passé très récent, c'était difficile de se procurer un petit kit, soit-il. Mais aujourd'hui, avec euh, l'ouverture du marché, avec euh, la disponibilité du matériel sur le marché, donc les gens peuvent se procurer ces, ces, kits et pouvoir se l'installer. Le tout n'est pas de l'avoir, mais de savoir comment l'utiliser, comment l'installer. C'est à ce niveau qu'on a un sérieux problème au Niger. Parce qu'au Niger, la plupart des gens qui évoluent dans ce secteur ne sont pas vraiment formatés dans le secteur, ce ne sont pas des spécialistes de la question. Pour la plupart, il y a quelques rares qui en ont fait des études, qui s'y connaissent, qui travaillent dans le domaine, mais la plupart, c'est vraiment à but commercial. C'est compréhensible, hein, ça ne viole aucune loi, mais c'est le fait de ce, ce manque de du professionnalisme qui a entraîné aujourd'hui que vous voyez que beaucoup de gens qui se sont investis dans les énergies renouvelables à titre euh, d'énergie électrique, euh, le regrettent parce qu'ils constatent qu'il n'y a pas de rendement. Ce qu'ils ont espéré, l'objectif visé n'a pas été atteint. Et du coup, il y a une sorte de procès qui est collé à l'utilisation de l'énergie renouvelable sous la forme d'énergie électrique au Niger. Mais je pense que ça commence à changer avec euh, la formation euh, qui est devenue de plus en plus accentuée au niveau des instituts, au niveau des universités, au niveau des grandes écoles on forme des techniciens, des ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des, arts dans, le domaine et donc ça a permis à ce que euh, les gens retrouvent la confiance euh, à la chose parce que maintenant, c'est des experts qui font le travail. D'accord. Monsieur Cheyaou, excusez-moi, je reviens vers vous. Est-ce que ces inventions sont accessibles à tous Est-ce que euh, elles répondent aux besoins de la, des producteurs lambda, par exemple Oui, bien sûr, euh, mhm. elles répondent. Je pense que la dame est là, elle peut en témoigner. Mhm. Et, l'accessibilité, en fait, c'est l'une des questions euh, qui nous a en fait, poussé à vraiment approfondir dans le développement de ces équipements. Ça, veut dire quoi Nous voudrions en fait développer des équipements localement. Mhm. avec les, matériaux disponibles localement. Et cela permettrait de réduire les coûts et avec des équipements simples, on arrive à, satisfaire les besoins. C'est ça l'idée en fait. Ça mhm. fait partie en fait des, des objectifs en du, développement de ces équipements localement. Mhm, d'accord. Ah Et quel apport euh, de ces équipements pour la transformation agro-agricole L'apport est, énorme parce que euh, nous le savons tous au Niger, euh, la production agricole en particulier, c'est fait en fait dans les, les zones, dans les zones rurales. Et pendant euh, la période de surproduction, là, euh, les produits viennent en abondance dans les marchés. Mhm. Cela, en fait, a deux conséquences. Les producteurs ils perdent une grande quantité de leur production et une autre quantité de la production est, est, est bradée, ce qu'on dit, et vendue à vil prix, parce que les produits sont abondants sur le marché. Donc, nous, nous développons ces équipes pour les permettre de, pendant la surproduction, tous les surplus là, qui serait perdu ou bradé soit transformé. Et la transformation, comme il l'a dit, c'est en fait réduire la, la, quantité, la teneur en eau, la quantité de l'eau pour que ces produits puissent, pour prolonger en fait la durée de conservation des produits. Et ça les permettra en fait de développer, comme les femmes transformatrices, des activités, ce que nous appelons les AGR. Mhm. Et puis, euh, ça permet la disponibilité, de permettre aux consommateurs d'avoir des produits pendant des périodes de non-production, des qualités bien sûr, parce que mhm. le séchage s'est fait déjà. Maintenant, nous, ce que nous faisons, ça, ça aboutit, les séchage les séchages au, au, feu du soleil, ça mhm. aboutit à des produits de mauvaise qualité. Maintenant, les mhm. séchages permettent d'avoir des produits, euh, des, produits séchés de qualité. vous voyez un peu, donc c'est un apport en technologie appropriée que nous faisons à travers le développement de ces équipements. Voilà un peu le, notre point d'intervention. Et l'impact, je voudrais ajouter quelque chose. Il est très. Oui, du point, oui comme vous, vous voulez soulever le point impact, du point de vue environnement, est-ce qu'il y a justement un impact Négatif ou positif Non, pas négatif, mhm. plutôt positif. Parce que euh, du point de vue environnemental, du point de vue économique aussi, parce que euh, c'est des énergies renouvelables, comme on l'a dit. Ça ne ça, ça pollue pas l'environnement, ça ne dégage pas des gaz à effet de serre, contrairement aux autres euh, sources d'énergie qui sont dérivées des dérivés pétrolières. voyez c'est des énergies renouvelables, des énergies propres, comme on l'a dit. Maintenant, du point de vue économique, ça les permettrait de réduire le coût de production, s'ils vont utiliser du, gaz par exemple, alors qu'avec le soleil, du soleil, ils ne payent pas. Il n'y a pas, du, pas l'achat quotidien du, du, du, enfin, du, gaz, du combustible. Donc, et je voudrais ajouter quelque chose aussi. Au Niger, nous avons des produits exceptionnels aussi, tels que les clichés et la mhm. viande. Ces produits sont très prisés au niveau national, mais aussi au niveau international, régional et international. Et investir les technologies solaires dans ce domaine, va permettre au Niger, ça c'est au niveau national même, d'apporter vraiment des apports assez énormes à l'économie nationale. Et nous, mhm. nous avons actuellement un projet avec les producteurs de Clichy où nous les soutenons mhm. afin d'intégrer ces technologies et ça leur permettra d'augmenter les capacités de production et ces produits auront en fait un niveau de qualité qui vont les permettre d'intégrer les marchés internationaux, parce qu'il y a des normes d'hygiène et de qualité qui sont là autour des produits ou avec les techniques actuelles, traditionnelles de fabrication, fabrications, de production, ils ne peuvent pas intégrer ces marchés-là. Maintenant, cela les permettra de souscrire à des normes qui vont leur permettre d'apporter plus loin leur mhm. euh, production, donc d'augmenter l'exportation et ainsi favoriser l'économie nationale. D'accord. Madame Maria, quel, à quoi consiste exactement votre activité Quels sont les produits que vous utilisez dans le séchoir Bon, moi, des primo, c'est sur euh, l'oignon. Je transforme l'oignon en LSPC. Ça veut dire lanière, semoule, confiture d'oignon et poudre d'oignon. Vous voyez Bon, à travers ça, maintenant encore, je suis en train de faire le cocktail d'oignon, marié tout qui peut remplacer, c'est comme une sorte, c'est comme un bouillon quoi, qui peut remplacer l'arôme. Vous voyez, on fait biscuit d'oignon, on fait chocolat d'oignon. Et il y a encore à travers Transco, comme Safi Niger Oignon, je suis la gérante, Safi Niger Oignon et Transco, je suis la promotrice. Je fais oignon et les céréales. Les céréales, le haricot, confiture, tout, tout, tout, tout. Vous voyez Donc, je transforme divers euh, produits. Quoi. Oui. Aujourd'hui, vous avez opté pour le style écolo. Je, veux dire que vous utilisez le séchoir, l'équipement qui fonctionne. Est-ce que vous utilisez aussi les équipements qui fonctionnent avec le solaire, par exemple Bon, ce sont les séchoirs. Les séchoirs solaires seulement. Seulement que vous utilisez. Oui, oui, mm, Y a-t-il d'autres équipements que vous utilisez à part le séchoir Bon, maintenant, tu sais, il y a le séchoir à donc Le séchoir travaille avec, euh, avec le gaz. Mais ça, là, vraiment, on a supprimé ça parce qu'on a eu des problèmes. Des fois, si tu n'arrives pas à régler ou bien tu laisses ça à, un moment, comme il y a des filets et du bois, hein, mhm. ça, peut, ça peut créer même un incendie, quoi. Mhm, tu vois, les, les produits encore peuvent brûler. C'est pourquoi maintenant on ne travaille pas. Même si on mhm. travaille avec ça, c'est sous ventilation. Oui, oui. Même si tu mets tes produits avec la ventilation, ça peut sécher. Mais pour la poudre d'oignon, il faut vraiment que le produit sèche. Oui, oui. C'est ce que je vous ai dit à travers Anerson euh, là. Ils ont un type euh, d'équipement où on met les pierres et une vitrine là. Mhm. Dès que tu mets un jour, tu as ton produit bien séché. Et, mais avec euh, les autres là aussi, Dieu merci, on a pu tout récemment, on sèche les légumes l'oignon et tout récemment les céréales. Si tu mets tes céréales un jour, deuxième jour, c'est séché. Mhm. Avez-vous été conseillé ou bien vous avez pris l'initiative vous-même De quoi D'utiliser le séchoir. Est-ce que vous avez été conseillé ou bien c'est vous-même qui avez on décidé a, On a approché l'énergie solaire mhm. dans le temps. Et oui, oui, dans le temps, ça fait longtemps. Hein. Moi, je suis dans la transformation depuis 2007. Mhm. Bon, à travers ça, on a pu former cette femme de notre groupement mhm. dont je fais partie. Bon, c'est de là-bas qu'on nous ont montré les divertifs de séchoir. et on a payé avec nos francs propres. Oui, oui. Et maintenant, à travers euh, ce séchoir-là de. Comment on dit même BNDK, c'est à travers la FAO la FAO et le ministère de l'Agriculture et ma commune 3. Mm. Donc, qu'en est-il aussi de la conservation Est-ce qu'elle permet de, une meilleure conservation Oui. oui. Et à travers même la, la, la, conservation, là, maintenant, si tu arrives à conserver ça, tu peux mettre ça dans des sachets comme tu ne peux pas laisser ça à l'air libre. Une fois séché, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, il te faut emballer, étiqueter comme ça, ça peut aller sur le marché national et même international. Et tout récemment, il y a l'AMC et les Trazen qui ont fait la formation, la certification de certains produits où les femmes étaient venues ici, même au studio Kalangu. Oui, oui, Dieu mhm. merci. Maintenant, nos produits sont vraiment dans les normes, Inch'Allah et on demande à ce que ça continue. D'accord. Monsieur Badamassi, pourquoi l'utilisation des énergies renouvelables de la transformation agroalimentaire Donc, euh, comme euh, ils aussi expliqué, déjà la transformation, ça existait. Maintenant, les moyens d'y arriver, c'est ça qui, qui cause faux. Parfois, c'est les séchages exposés à tout type d'intempéries. Donc, euh, il y a donc à cela, il faut résoudre cette question donc de, l'hygiène. Il y a d'un côté encore, il y le surplus de production qui, euh, en période de, de boom des, produits maraîchers, par exemple. Et il y a d'un côté encore les, transformateurs, Et tout ça, il faut qu'on arrive à proposer une solution qui soit à moindre coût si possible. Mhm. Donc, c'est de ça qu'on a opté. On s'est dit, OK, avec l'utilisation des énergies renouvelables, c'est quand même eh, moins d'investissement. Donc, pratiquement, l'investissement, c'est à l'achat et quelques opérations qui, qui demandent rien du tout. Mhm. et qui sont périodiques d'entretien. De, Donc c'est ça qui a permis vraiment le choix d'aller vers des énergies renouvelables. Mhm. En soi, c'est vraiment utile et économique. D'accord. Monsieur Cheya ou euh, pourquoi l'importance des équipements pour les femmes, notamment celles qui font la transformation Dites-nous en plus sur l'importance, justement, pas pourquoi. justement. Oui, oui. Euh, l'importance, c'est quoi euh, Comme je l'ai dit tantôt, ils produisent, ils font déjà des séchages au -hmm. voilà, au feu du soleil. Maintenant, les produits ne sont pas au rendez-vous du point de vue hygiénique. Ça, c'est un. Deuxième chose, la qualité. Parce que la couleur est altérée. Si vous connaissez les tomates, sécher on connaissait depuis notre bas, âge, noir, ça noircit. Pourquoi Parce que eh, le soleil, les rayons, les, les UV, comme on le dit, ils, attaquent mhm. les, les, les nutriments. Voilà. Bon, c'est les, les, UV, ils attaquent les, les, nutriments et détruisent mhm. certaines vitamines. Mhm. Maintenant, avec le soleil, le produit est protégé de cela. Donc, quand vous séchez au soleil, vous allez ressortir les produits avec toutes ses qualités. La couleur, la, texture, tout est là un Et puis, euh, euh, euh, à l'abri de tous les risques de contamination, que quand il est exposé au soleil à l'air libre. Donc voilà, en gros, et ça permet aussi d'augmenter la capacité de production. Parce que le rendement est meilleur avec les séchoirs solaires. Le rendement est meilleur parce que ça concentre, ça collecte de l'énergie et dans une enceinte fermée qui répond en tout cas aux, aux qualités hygiénique et les césars se passent ainsi. Alors la a des produits de meilleure qualité, vu, comme je l'ai dit, eh, la texture, eh, en tout cas le, le, goût, eh, tout est protégé des, des rayons ultraviolets. Mhm. Voilà les trois points essentiels de, de ces équipements-là. D'accord. Donc, dans, dans, le même sens, comment est-ce que vous appuyez ces femmes-là Alors, nous, nous les appuyons, nous appuyons tout le monde, hein, même les secteurs privés, on est du public en fait les femmes également, nous nous développons en fait des solutions et nous continuons à expérimenter de ces solutions pour, euh, pour améliorer en fait leur performance. Mhm. Voilà, nous, euh, il nous arrive de, de les former sur l'utilisation, de sensibiliser et de fédérer en fait les acteurs qui interviennent dans ce secteur à travers des ateliers que nous organisons souvent avec euh, les partenaires également pour fédérer tous les acteurs, que ce soit financiers et techniques, les femmes transformatrices, et faire la promotion, comme ça, euh, comme c'est inscrit dans nos attributions, de faire la promotion en gros en fait de ces euh, technologies, les faire connaître, sensibiliser tous les acteurs, que ce soit les, utilisateurs qui sont généralement les femmes et les, partenaires également techniques et, et financiers également. D'accord. Monsieur Arifa, que pensez-vous de ces énergies renouvelables Bon, euh, les énergies renouvelables, il faut préciser que <laughs> énergie renouvelable, n'est pas seulement panneau solaire. Mhm. Pour le sens du le sens commun, quoi. Donc peut-être il faut faire cette distinction. Mhm. Euh, les gens, dès qu'on dit énergie solaire, ils disent panneau. Il n'y a pas que le panneau. Mhm. Certes, euh, le panneau, c'est juste la partie photon, la partie lumière du soleil. Le panneau solaire ne travaille qu'avec la lumière du soleil. C'est pourquoi le soir, quand il est seul, n'a pas de batterie, il ne marche pas le soleil a deux aspects fondamentaux, fondamentaux qui sont euh, sa, lumière qu'il émet et la température qui en résulte. Donc, euh, ce que mes prédécesseurs ont développé, c'est de la technologie qui exploite cette température du soleil donc pour être euh, appliquée. C'est vraiment le fruit de la recherche appliquée qui, a amené, qui a conduit à ces résultats d'avoir des types de sursoirs, d'autres types d'applications, notamment du chauffage, de cuisson, etc et même des productions d'énergie électrique à partir de la température du soleil en se basant sur le même principe euh, sur lequel marchent les centrales thermiques à gaz, gasoil, fioul lourd, donc même nucléaire. Le principe est le même. Seulement, c'est la source qui diffère. En dépit de cela, les, énergies renouvelables, renouvelables dont la source principale, sinon l'agent causal est le soleil, parce que c'est lui qui produit la chaleur nécessaire pour qu'il y ait différence de potentiel et qu'il y ait déplacement des masses d'air et ce déplacement des masses d'air, donc le vent, est une autre forme d'énergie aussi qui est utilisée parce qu'on peut transformer l'énergie des, euh, l'énergie des masses d'air en une énergie euh, consommable. Il y a aussi l'énergie qu'on peut utiliser à partir de l'eau, à partir des mouvements des masses d'eau. C'est ce que euh, généralement on appelle, ce que tout le monde connaît sous le nom de barrage hydroélectrique. Et ce barrage hydroélectrique est aussi, n'est pas, il n'y a pas que le barrage hydroélectrique qu'on peut faire avec l'eau. On peut aussi utiliser euh, pour faire de l'arrosage et tout, avec l'air, je voulais dire, pour faire de l'arrosage, du gardiennage, etc. etc. Oui, en fait, là, monsieur <coughs> Arifa, vous êtes en train de nous définir les différentes sortes d'énergie. Donc là, nous aimerions <coughs> savoir quelle est, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces énergies. Moi, je pense que ces énergies. En général, et euh, aussi du point de vue environnement. Ces énergies, c'est un don de Dieu pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie avec notre environnement. Ce qui L'utilisation de ces énergies renouvelables. Bien sûr. Mhm. L'utilisation, c'est vraiment une opportunité que nous avons de vivre en symbiose avec notre environnement sans apporter quelque chose de nouveau dans l'équilibre qui puisse perturber donc l'équilibre naturel qui existe. Et pour preuve, c'est les choses nouvelles que la technologie humaine, l'intelligence humaine a amené, qui a perturbé l'équilibre naturel du monde et a amené ce que les Anglais appellent le global warming, donc le changement climatique. Alors que si vous utilisez, c'est comme quand vous partez prendre de l'eau au marigot ou au puits, vous le prenez, vous, la, prenez, vous la consommez. C'est différent de celui qui a utilisé des procédés chimiques pour avoir une eau, la consommer. Ça, ce qui est sûr, dans les procédés, tout n'est pas consommé à 100%. Il y a des résidus et ces résidus, c'est quelque chose d'additif de plus qui vient s'ajouter sur la stabilité de l'environnement. Alors que lorsque vous consommez ce qui est déjà naturellement disponible, c'est comme si vous permettez au cycle naturel de se, reproduire euh, indéfiniment. Euh, madame euh, Maria, les énergies renouvelables de la transformation agricole sont-elles vraiment nécessaires pour oui, vous mhm. vraiment, parce que un produit si on n'arrive pas à bien conserver ça, on risque d'avoir des problèmes. Et maintenant, si à l'abondance, là, tu peux payer les produits c'est sécher. Après, tu peux mettre euh, de l'eau chaude ou bien de l'eau comme ça pour que ça, que devienne comme euh, le tout frais, quoi. Tu vois, et si on fait ça au moment de la production, comme l'oignon, tu vois, et les choux encore. Maintenant, tout récemment, avec euh, ce séchoir-là, on a pu faire la transformation des choux, des carottes, de la pomme de terre, persil, céleri, moringa, vous voyez. Et maintenant, on mm-hmm. peut conserver ça pendant au moins un an, sinon plus. Eh oui. D'accord. Mm. Monsieur Badmassi, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ces énergies renouvelables sont très nécessaires dans la transformation agroalimentaire Oui, effectivement. Et si, euh, si, nous prenons les énergies renouvelables, elles ont un apport qui soit conséquent dans, dans, ce type d'activité, ça permet euh, de faire des économies de la production. Donc, on peut avoir, et ça permet la disponibilité des produits au moment où il n'y a pas la production. Donc, vraiment, ça, ce sont des valeurs ajoutées, moi, je dirais, et des, énergies, de ces énergies renouvelables sur nos quotidiens. Mhm. Donc, puisque la production, elle est à moindre coût, donc les produits disponibles à tout moment doit être de, moins, de moindre coût. Monsieur Chayaou Moi, je pense que eh, je pourrais même aller plus loin, dire que c'est indispensable, plus que nécessaire d'ailleurs eh, dans la transformation agricole et dans la protection de l'environnement et dans le développement, en tout cas des activités qui génèrent des revenus pour nos mhm. populations et particulièrement les ruraux. Eh, le séchage, on en a assez parlé, je pense, autour de cette table. son importance, ça permet en tout cas de réduire les pertes agricoles et de créer en fait des revenus pour les agriculteurs et les femmes qui font la transformation. Et ça s'inscrit ainsi dans la, euh, la sécurité alimentaire, ça contribue à la sécurité alimentaire. Mhm. Un autre aspect, il n'y a pas que le séchage, hein. il y a... Euh, on parle de la transformation, il y a le, la cuisson solaire également qui est très important. Nous, nous avons euh, des projets d'investigation parce que nous essayons bah, d'identifier en fait où se trouvent les besoins et développer des solutions afin de les satisfaire. Et c'est l'énergie, euh, si vous prenez le séchage, pourquoi je dis que c'est indispensable Parce qu'il n'y a pas d'autre même alternative actuellement. Parce qu'avec le, gaz, elle euh, a commencé à l'abandonner. On n'a pas d'autre. Vous ne pouvez pas utiliser l'électricité. Mm-hmm. Le coût est assez énorme. Donc, on a des solutions qui par le solaire. Sinon, on va faire les séchages à l'air libre avec toutes les conséquences que nous avons eu à évoquer. D'accord. Oui, allez-y. Merci. Je voudrais ajouter quelque chose, comme euh, mon prédécesseur l'a dit. Euh, <laughs> il ne faut pas qu'on ait l'impression que nous faisons ce euh, ces forums uniquement sur le séchage. Hein. Oui, bien sûr. Parce que l'utilité des énergies renouvelables, il a, la question des coûts énergétiques euh, sur le plan de l'énergie électrique est extrêmement élevée au Niger. Mhm. Alors que vous avez des zones, on a une, euh, un pays qui est majoritairement pas sur le réseau de la Nigélec. Je dis bien majoritairement, c'est les centres urbains et quelques villages euh, qui ont réussi à se raccorder grâce à Dieu à ce, à ce réseau de la Nigélec. Et justement, l'utilité des énergies renouvelables, c'est qu'elles permettent de transporter l'énergie au niveau des zones qui sont inaccessibles pour le réseau. Vous, si quelqu'un se trouve sur une zone montagneuse, vous pouvez lui amener de l'énergie électrique et il aura de quoi euh, utiliser ses machines, de quoi utiliser ne serait-ce qu'un cellulaire, une radio pour avoir des informations, et euh, une télé pour euh, si je ne sais pas quoi, et puis en tout cas un cellulaire pour contacter ses proches en cas de besoin. Et aujourd'hui, l'utilisation de cette, de cette forme d'énergie est en train de se vulgariser d'elle-même. Vous voyez, vous avez des lampes solaires, vous avez des petites radios qui marchent au solaire. Les petits frères et autres qui viennent du village, ils ont leurs petits panneaux de 500 francs, 1000 francs pour recharger leur portable cellulaire. Donc, il y a vraiment une panacée qui est là, qui est disponible, mais il faut savoir l'exploiter. Et c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est dans un village reculé qu'on est obligé de ne pas vivre la modernité. On peut être dans le, dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps moderne, avec euh, de l'énergie électrique à notre disposition grâce à la disponibilité des panneaux solaires et un peu de batterie. Mhm. Seulement, le problème euh, qui, à ce niveau au Niger, euh, l'autre technologie qui n'est pas vraiment maîtrisée, c'est celle de la production de l'énergie à partir du vent, celle de la production de l'énergie à partir de la chaleur euh, souterraine, la chaleur donc la géothermie. Ces technologies, à mon sens, en tout cas dans le domaine de la recherche que je connais pas mal pour être dedans, on n'est pas trop accentué dans ce domaine-là. Mais euh, on a quand même quelques spécialistes dans le domaine de l'énergie éolienne au Niger. Mhm. On a beaucoup de spécialistes dans le domaine des énergies euh, renouvelables, options photovoltaïques et thermiques solaires. Donc il faut valoriser ces connaissances, valoriser ces, ces intelligences-là pour les mettre à la disposition de la population. Mhm. Euh, surtout que sur le plan de la maîtrise des, photovoltaïques, nous sommes très avancés. Au Niger, vous avez des mémoires de master, des thèses de doctorat qui sont soutenus sur les techniques de fabrication même des cellules solaires. Donc, euh, on a vraiment euh, beaucoup avancé dans ce domaine. Justement, qu'est-ce que vous proposez pour euh, l'amélioration de toutes ces technologies-là que vous venez de nous parler Déjà, pour améliorer une technologie, il faut faire de la recherche appliquée. Ça, <laughs> nous sommes en train de le faire. Moi, particulièrement, je travaille sur la l'amélioration des performances des cellules solaires qu'on va qu'on réalise déjà avec euh, des matériaux disponibles chez nous ici au Niger et on va optimiser son rendement parce que le tout euh, se joue à ces niveaux. Après avoir optimisé, maintenant il faut peut-être aussi prendre d'autres sujets de recherche sur le, mode de stockage qui pose énormément de problèmes au monde entier. Et c'est un sujet de recherche qui est d'actualité, qui n'est pas encore épuisé et euh, qu'on continue de faire. Donc pour améliorer les technologies, justement, il faut faciliter la recherche, il faut investir dans la recherche. Je crois que la Norsol fait autant, je dirais pas autant, mais la Norsol aussi fait euh, de son mieux par rapport à la question de la recherche pour prospecter, et identifier, donc euh, décider et puis optimiser mhm. pour justement améliorer l'application. Mais ce qui est sûr, le potentiel, il est là, l'expertise, elle est là, il faut juste les moyens pour mettre en application. Monsieur Chayaoud, quelle est votre intervention justement pour améliorer euh, cette technologie Alors, euh, mhm. la, NERSOL, comme je l'ai dit, on est une institution publique. On a beaucoup d'axes d'intervention dans le secteur de l'énergie solaire. Voilà. Donc, en termes d'amélioration, euh, nous, nous sommes là, comme il a dit, on a un problème d'expertise au niveau national dans beaucoup des cas. la plupart des acteurs à un certain niveau euh, ils ne sont pas réellement des professionnels. Donc l'ANESOL a, modernisé déjà sa plateforme euh, euh, technique afin de pouvoir conduire des formations à tous les niveaux, des acteurs, parce que c'est cela qui manque aussi, surtout au niveau photovoltaïque. Mhm. Donc notre plateforme, elle a été complètement modernisée et nous conduisons des formations à tous les niveaux, que ce soit au niveau des privés, au niveau des acteurs publics, euh, au niveau ingénieur, au niveau technicien, à tous les niveaux. Ça, c'est un aspect. Donc, former les acteurs. Deuxième chose, en fait, conduire des projets de développement dans le secteur. Et nous avons euh, beaucoup de projets, dont on peut citer les NESAP, déjà, qui est en cours, afin de mettre en place des facilités pour, euh, en fait, que les héros et les personnes démunies, ou je ne sais pas comment dire, pour qu'ils puissent accéder à ces technologies de revenus moyens, mhm. faibles euh, revenus. Et c'est là qu'on s'en met en place en fait des, facilités, que ce soit au niveau un appui technique et un appui financier, accessibilité aux ressources financières qui vont leur permettre en fait euh, d'acquérir ces équipements et les accompagner jusqu'à l'utilisation. Donc un autre aspect, c'est des solutions spécifiques ça, c'est surtout dans les domaines de la thermique. donc dans le cadre de, notre, de nos activités de recherche et développement. Nous identifions tous les besoins à tous les niveaux du Sahel et développer des solutions telles que les séchoirs, les, cuisines solaires, euh, etc. En fait, le, pompage justement, le pompage ça, ça rentre dans le les projets de développement. Voilà, donc on a plusieurs projets, d'autres sont en cours, d'autres sont en perspective en fait dans ce secteur. Mhm. D'accord. Madame Maria, vous utilisez déjà un dispositif de cessage. Quelles sont vos recommandations de, quoi, avez-vous besoin en plus pour améliorer votre secteur D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a, on a ces trois types euh, de séchoirs. Mhm. Maintenant, comme je Est-ce que ça vous suffit Vous n'avez aucune recommandation ah, ah, je vous, ai, je vous ai dit avec euh, Anersol, il y a un séchoir que je suis en train de guetter. Ah. On va voir. Comme je ne peux pas faire ça, il faut avoir une place. Et dès qu'on te met ça, les problèmes sont résolus. Surtout nous, on fait la transformation du loignon, on fait la poudre loignon. Vraiment, loignon, là, il faut qu'au moins c'est un jour que ça puisse, euh, on puisse euh, faire la poudre avec ça. Avec les autres, là, vraiment, si on fait, ça peut. On, le deux, trois jours, et c'est pas. On peut avoir un peu d'humidité dedans. Mais avec l'autre, là, vraiment. C'est pourquoi j'ai dit de voir avec euh, l'autre, là, adresseur et de voir euh, docteur, ceux qui peuvent avoir un partenariat, euh, aider les femmes transformatrices hein, aussi les différents types de ce charme. Mais présentement, moi, c'est ce que je suis de guetter. Si vous partez à l'école, euh, <laughs> à l'école normale supérieure, vous trouverez un chez soi mhm. fabriqué par un jeune étudiant nigérien, par un étudiant nigérien qui est plus performant, qui est plus performant, je le précise, je le souligne, que mhm. le chez soi extrêmement cher importé de l'Allemagne. Mhm. Donc c'est pour dire aux Nigériens de faire confiance aux technologies ah, qui sont développées ici chez nous. Mais quel impact ça peut avoir à long terme euh, La formation ou la production La production de ces énergies renouvelables la production à long terme d'abord, même à court terme. Mhm. Même à court terme. Aujourd'hui, si vous partez dans un village euh, éloigné de Bilma, d'Agadez, Zander ou de Tilaberi, vous leur ramener quelques panneaux, une batterie, vous leur <laughs> rendez la vie facile. Vous leur rendez la vie facile. Vous, vous avez apporté le monde à leur, à porte. Mhm. Ça, c'est un. Des deux, à long terme. Vous savez, c'est comme quand vous décidez d'ouvrir une alimentation, ou encore une alimentation, on va dire que c'est grand. C'est comme quand vous décidez d'ouvrir une boutique. Alors, vous payez vos articles, vous allez les payer, faire un investissement et, les, venir euh, étaler vos articles. Il vous faut un temps pour faire avoir un retour sur investissement. Mhm. Le temps, c'est ce temps de sacrifice que vous allez consommer pour le cas des entreprises, par exemple, euh, des projets à énergie renouvelable. Mais une fois que vous avez recouvré, recouvré toute, toute, la, somme que vous avez investie euh, pour avoir cette boutique, tout le reste que vous allez vendre ne serait que bénéfice. D'accord. Monsieur, madame en tant que fabricant du séchoir, quel impact ça peut avoir à long terme le séchoir dont on a parlé au cours de cette discussion Est-ce que ça peut avoir un impact à long terme À long terme, euh, <coughs> prenons et bon, je reviens sur ce ah, qu'on avait dit. nous, déjà, nous sommes déjà arrivés. D'accord. Maintenant, euh, vous savez, la production agricole, ça se faisait avant. Mhm. Et de nos jours, maintenant, c'est très difficile quand on rentre dans le milieu rural de convaincre un jeune de rester faire ce que son père faisait. Parce que, pourquoi Parce qu'il n'y a, y a, pas, a, pas, a pas de revenus concrets. Donc maintenant, si ce jeune-là pense qu'il il, voit que maintenant il y a des inventions, il y a des innovations un peu partout à travers le pays qui permettent de valoriser ce que son père faisait. Donc il trouve, il trouve, ça assez intéressant, il va rester. Au lieu de partir en exode, je pense qu'à long terme, si on continue dans ce sens, on va réduire la migration là, le flux des migrations. Donc vraiment, les gens vont rester et exercer. Et d'un autre côté, ça c'est au niveau de la production. Les, eh, les transformateurs donc là, ça va stimuler encore la jeunesse. Donc ça va créer l'emploi aussi. Euh, ça, c'est tout ça, c'est des impacts à, long terme. Et la disponibilité des produits. Vous voyez les, flux, par exemple, à un moment donné, la tomate, elle, vient, elle nous vient du Maroc. Si nous pouvons avoir notre propre production locale ici, nos tomates là, on peut les conserver soit en purée ou bien en séché et qu'on peut euh, réutiliser. Donc ça peut vraiment favoriser euh, la consommation locale en dépit de, l'importation. Donc tout ça, ce sont vraiment des conséquences positives à long terme. D'accord, d'accord. Nous sommes au terme de notre discussion. Les énergies renouvelables représentent une opportunité sans perturber l'équilibre naturel selon nos invités. L'énergie solaire, quant à elle, diminue les charges en électricité. Enfin, selon nos invités, l'utilisation des énergies renouvelables sont vraiment nécessaires dans la transformation agricole. Nous étions en compagnie de monsieur Arif Hassan, doctorant en physique des énergies renouvelables à l'université de Niamey, avec M. Adamou Ousmane Chayaou de l'Anerson. Nous étions aussi en compagnie de Mme Mustafa Kadri Marietou Garba, transformatrice agroalimentaire, et enfin de Monsieur Abdel Nasser Badamasi de BNDK Solar Dryer. À la présentation, c'était Rafika Taher, régissant Amina Hassan, à la réalisation et au montage vidéo Mustafa Ayouba. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre euh, forum d'une autre thématique. Merci à vous, chers invités, de nous avoir suivis. Excellente soirée.